Bon, comme vous l'avez constaté, euh, le collectif euh, des avocats de M. Ousmane Sonko, Saïd Larifou, avocat de M. Ousmane Sonko, membre du collectif d'avocats pour euh, défendre les intérêts de M. Ousmane Sonko et de PASTEF également. Le collectif des avocats de M. Ousmane Sonko est revenu à la Cour euh, suprême pour euh, déposer une requête aux fins de rabat de l'arrêt rendu le 17 novembre dernier. Nous rappelons que lors de nos précédentes déclarations, nous l'avons dit clairement, que le chemin sera très très très long, mais nous sommes euh, très déterminés, très déterminés à exercer toutes les voies de recours pour faire valoir les droits de M. Ousmane Sonko et les droits de PASTEF, leurs droits politiques, leur droit d'exister politiquement et le droit de participer aux compétitions électorales dans ce pays. C'est un droit qui est reconnu à tous les citoyens du Sénégal, nous ne comprenons pas et nous n'accepterons pas qu'un citoyen sénégalais, le principal chef de l'opposition, candidat déclaré, fasse objet d'autant de répression et puis de violence politique, au point de le priver par des manœuvres complètement fallacieuses à prendre part à ces élections. Donc nous sommes revenus ici pour demander à ce que l'arrêt qui a été rendu la semaine dernière fasse l'objet d'une nouvelle discussion, d'un nouveau débat, d'une nouvelle décision, parce que celle qui a été rendue par la Cour suprême le 17 souffre de plusieurs et graves interrogations d'ordre juridique. Voilà, donc c'est l'objet de notre présence ici aujourd'hui. Nous estimons, ça nous aurons l'occasion de le dire puisque ça sera lors des prochains débats devant la Cour suprême, nous avons eu l'occasion de le dire et nous le redirons puisque c'est très important, il s'agit d'un dossier exclusivement politique, que des manœuvres ont été employées pour empêcher à ce que la décision qui ordonne la radiation de M. Ousmane Sonko sur les listes électorales lui soit notifié conformément à la réglementation en vigueur dans ce pays. Ça n'a pas été fait. On est le 28 aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, aucune notification ou signification n'a été remise à M. Ousmane Sonko. Alors que la décision devait normalement lui être notifiée avec mention spéciale de ses droits au recours. Cela n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas venus demander plus et moins non plus nous sommes venus demander à ce que le droit, rien que le droit de M. Ousmane Sonko, soit respecté. Et nous tenons à le dire. Ça a été dit tout à l'heure avec euh, pertinence par mes confrères. Ils l'ont dit en français et puis en Olof. Et je répète, puisque c'est l'élément pour nous, aujourd'hui, l'élément le plus important. La Cour suprême du Sénégal est dans l'obligation d'agir dans l'urgence, dans l'extrême urgence, puisqu'il s'agit d'un contentieux électoral qui protège le droit d'un citoyen sénégalais. L'expression de chaque citoyen sénégalais par rapport à des compétitions électorales est fondamentale. Nous ne comprendrons pas et nous n'accepterons pas que l'expression de M. Ousmane Sonko soit entachée d'irrégularités, alors que celles des, millions d'autres citoyens sénégalais seront prises en considération. Donc il y a une obligation de sérénité, il y a une obligation de rendre cette décision le plus vite possible. Il y a une situation d'extrême urgence, puisque les autres candidats, comme ça a été dit tout à l'heure, sont en pleine campagne, interviennent sur tous les plateaux, côtoient leurs électeurs, tous les électeurs, tous les Sénégalais. Il n'y a que M. Ousmane Sonko qui est privé de ce droit aujourd'hui et cela nous semble tout à fait anormal. donc nous exercerons toutes les voies des recours. Aujourd'hui, nous sommes devant la Cour suprême. Il se peut que nous n'espérons pas, mais s'il faut aller devant d'autres juridictions, nous y rendrons, nous irons pour que ce droit lui soit reconnu au même titre que les autres. Voilà. Merci. il y a quelqu'un qui demande si tu peut En oui. Ah, ah, ah, voilà, mine en tout yéen ñi nga xam ni pour yéen ñi nga xam ni waaw suñu nañ ko effectivement loi bi moo ñu may ñu delloo si li ñu àtte woon le 17 novembre bi passé ñu delloo waat si ñi ko àtte woon cette fois ci mu gën a yaatu nag parce que géew bi day gën a yaatu pour ñu àttewaat ko te boobaa tamit loolu du soxla muy dem si tribunal d' instance bi nga xam ne moom lañ ko renvoyé pour atte ko parce que arrêt bi nga xam ne moo ko renvoyé devant le tribunal d' instance classe boobu arrêt nañu attaqué en rabat pour effectivement mu dellu si te am nañ yaakaar ni bu si dellu see dinañu delloo Ousmane Sonko li nga xam ne mooy ak xam ak yelleefam mais li ëpp solo te ëpp si solo rek mooy sort bi nga xam ne ne moom la procédure bu Ziguinchor subiroon pourvoi en cassation bi si ko le même sort sera réservé à cette procédure de rabat maanaam sama confrère wax na nos collègues, c'est l'urgence c'est l'urgence et la célérité manam mbirum yakamti la parce que li nga xamni dafa laal lu élection da nga xamni lepp délai la li nga xamanteni lepp dafa wara gaaw kon fofu dañuy bëgg effectivement lool moy esprit loi bi comme moy la lettre de la loi dañuy bëgg bép bu juridiction juge muy keneen muy man même burul juge fu melni sénats, Sénat ak wala direction générale des élections dañuy bëgg lepp luñ ci def rek muy gaaw parce que en matière électorale nous sommes rattrapés par le temps loolu le tax am nañ yaakaar te ñoo obligation maanaam farata la ci cour suprême avec les chambres réunies farata la ci L'année la ñu ko déposé balaa ayu bés ñu xam fan nan la na na fan la ñuy féete te am Ousmane Sonko ce que j'appelle rétablir Ousmane Sonko dans ses droits et dans sa dignité puisse avoir lieu avant une semaine pour permettre à Ousmane Sonko li nga vous ni c'est fa la jëm sénégalais n'ak ñoom ñoo

Nous ko parrainage ñetti parrainage choisir pour ce qui est du parrainage citoyen Bassir Diomaye Faye la wara profiter ñun ñoo choisir ne parrainage bu profiter mais Ousmane Sonko reste toujours dans la course et Inch'Allah Ousmane Sonko sera candidat on le souhaite bien et va conquérir les suffrages des Sénégalais pour que les Sénégalais enfin qui portent un grand espoir sur lui puissent le désigner